assalamu alaikum studio kanan gwangan kai ami de la fada mataram foi ai gogagan ku bai ne fada ka studio Je suis Samira pour la présentation de ce soir et le thème d'aujourd'hui porte sur les mesures sécuritaires à Filingué, comment les jeunes s'adaptent. L'insécurité, c'est un sentiment d'incompréhension qui engendre plusieurs effets néfastes. Il contribue à une baisse de la qualité de vie des personnes affectées. Ils doivent ainsi être plus angoissés. Pour lutter contre l'insécurité, il faut passer par la lutte contre tout ce qui nuit à la qualité de vie des habitants et la tranquillité publique le premier moyen de lutter contre les actions d'incivilité et de renforcer la présence militaire sur le terrain. C'est le cas aujourd'hui à Filingué où les jeunes cohabitent avec les FDS. Comment les jeunes s'adaptent-ils avec ces mesures Quelles sont les précautions prises par la jeunesse pour mieux s'adapter Comment faire entre jeunes pour être au même niveau d'information Eh bien les amis, la réponse à ces questions, c'est dans un instant avec nos invités du jour à la FADA. Surtout n'oubliez pas mes chéris, tous à la FADA, c'est de la chronique de la musique musique et une rubrique rose à tout ceci en 35 minutes. C'est parti. Chers amis, hunkuna euh, iksi kala filinge kwaraga nankan irbag salan irwan Honkun barbta bon, c'est sur les mesures sécuritaires à filinge matkino fuktage gortiga bafunai da mesures sécuritaires et Wakidanissé. Pour en parler aujourd'hui, nous avons comme invité euh, Issoufou Omoro de ADD Bunkasa. Nous avons aussi euh, Mahamadou Mohamedou Abdoulaye euh, de la même structure euh, également. Nous avons Dayebaz Alha du MJV. Nous avons aussi Ismaël Amadou du MJV aussi. souhaite tous la bienvenue à la FADA. Je commence avec euh, mes questions. So, Mahamadou, aïe, sintin dinim. Aïe, hangon on orti, matkina ngok bafnaida, zakan ikaga mesures sécuritaires dans un système harino kan kagarangar, mantan donano. Comment est-ce que vous vous adaptez? Comment est-ce que vous vivez ça? Euh, zanga hayo kan ni tirse mila dini la kalkalan sino ya dinga sima Ising ginga goyete mataki gibara Yadinga harno kanga Gingalambanda ga yingilan banda borai da iwona bafune rakoi ne yi mila haruno kan dalakalkanin shino bore sun singa e, eh, bafune mataki gaba mm-hmm. ai sabu aiki ka um, nido hagai hukukaiya hukukaiya yi bai min ha en tant que jeune fille fuk ta gino akan gagan activité te da hayo imne du jour au lendemain fata en sino euh, a partir de 22h euh, ba dingo tagay borasi ingo fo kaga no ni wongo ga haya gunanda to ai haya kan mm, situation mat kan ai go ga gonan beaucoup de jeunes filles maintenant arandi zangun chino chino ra goudran et eh, bon ig nera hawriyan il faut il faut son kan sécurité sinon donc isudu dama wadin donc ça il faut boda igoyayi igoyayi kai kuma isudu matkan yi gaba kwai mm-hmm. ne jeunes filles sont disin da gwai disin da gwai na mata ni gite da nan sai yan gugu problem man sai ki jivuwa to ai je kan do har daya ba ni wo il faut que yango situation sécuritaire au oh, bon to walla ka ya cino ya dino da lakka kana sin rabura kullu sin te matki bada son nidi ba cini ba borg ba fata kai wundu mai ga yaki ne la kai kana hanu sinu bar singi patta ba nan ni ba kwai haya desti zaka la kana hanu si kwarara to madalla Issoufou, euh, donnez-nous aussi votre avis sur comment est-ce que vous percevez les choses du jour au lendemain avec les mesures euh, sécuritaires. Ok, salam alaikum. Ok, maintenant, si on parle de l'insécurité, on sait qu'il y a trop de problèmes. Mais cette mesure qu'on a prise par les forces de défense et de sécurité, vraiment, ça nous. On peut dire que c'est bon. Parce que dès qu'on a insécurité, on sait qu'il a. On ne peut pas faire du tout. Et encore, l'insécurité, on a vu beaucoup de problèmes par rapport même aux gens du village. Si on prend l'affaire de culture, il n'y a pas de culture. Les, les gens du du village. Vraiment, on les tue, on les fait tout. Et ici, même en ville, avant là, nous, on savait pas comment dire l'affaire de l'arrestation des motos, circulation plutôt de motos. Avant, on circule en tout moment, mais maintenant, si on prend la moto de 6 heures du matin, c'est à 20 heures plus. Mais ça même, c'est un recul pour nous. Parce qu'avant, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les machines, les taxis, motos et tout. Maintenant,

son aka irdo hari irgo diya to hankan irgine da irko da mu kanda irse gwamni a hari zama gingina kirgu gornan bu ba da irin di portar de teni irgi di bar follan son mu irgi di bar ga bisa mil de person zain di non gibe kan bani sino to wadin asaran lakal tunandi to wallahi a gir lakal tunandi zama hankan sa gir lakal tunandi ir kare gono ir babai gono kango go sagiran e go farmi son gudu ba nan fuen kam e mandu ba farmi zama labo su goro nan kulkan kan san da security sudu ko ga far bare bare an bobo kango no inge farmi kul ini na ka gornango ko mu sudu hankengi izen wandi gere go kabu kabu ne gote son wadin kul sino nan go foyan to ya dinga irga ke dagin da kaina irmir gune irmir faba hankan irko irmir faba hankan ir labu goda ba ir ir kanga ta a wursa ir mutun ir mu diyese irmir labu hansi amma labu kul kal kwale zuni ga kwarunwa zama nin kan go kwara din tunga di barakan ka ya garan faba to la ya kulno ka ga gwamni hankali gumare irko dem kan da irse gwamni Euh, Mamadou, je reviens euh, vers toi. ai haingong nokti matkin no fukta ge goga adapter la situation aux amants en bon mondo na bay ka D'accord. Moi je pense que pour la question sécuritaire qui touche les gens de Filangé et tout débit est difficile. Donc euh, l'adaptation et maintenant les gens sont en train d'adapter à la situation sécuritaire. Nous, tout ce qu'on souhaite, euh, c'est d'avoir euh, de la sécurité dans cette zone. Et on le souhaite quand même. madalla to wokaya sonda indi nu irgo sala ni kan dai sai wanda kan ginga yi petit commerce fote fonda bon da chino ga um, eh, ni wanda yango ga son matikin ni go adapte da bai sintina din kan c'est nouveau chose pour eux sintar m'a adapté zadi ma ine bande kanango hayo par exemple on prend abala wala haifo borai ga humbo yakini mskwe kanongo mais maintenant ils se sont adaptés pour ça pour cette situation chena sintinadin ba dine isi bozam wandi gara kwai fumbura par exemple imne par exemple samedi no abala habogunwa, mhm. di kwai no jun wala haifu yakini kini no jun no igin gai commerce te igudu no gumu bubu mhm. cinan zadi ma hayo bandi ya kwai no din isu yi igu kwai no di igu humbu imi quoi dirais mi enlever mi prendre en otage ou bien des trucs comme ça mais maintenant ils se sont habitués il mhm. y a aucun problème pour ça tout Selon vous, comment est-ce que les jeunes de la ville de Filingue s'adapte à, cette nouvelle situation Bon, les jeunes de la ville de Filingue, vraiment, ils ne sont pas contents, mais y a, bon, si on prend des mesures que vraiment on a pris ici à Filingue, mhm. mais pour nous, vraiment, ce n'est pas la peine. Parce que si on parle de l'insécurité, Alhamdulillah, ici à Filingue, on peut dire que Dieu merci. Les mesures qu'on prend ici, vraiment pour nous, ça nous dérange mal même. Parce que ce que nous voulons à notre autorité d'ici, vraiment de revoir quand même, enlever notre, vraiment, notre mise, oui, les instructions vraiment. Parce que ici, si nous ici, vraiment, de nous, nous entendons de parler l'insécurité, l'insécurité. Mais vraiment ici à Filengi, on n'a jamais vu des, des, des, cas graves par rapport à cette mesure. oui, oui. Mais vraiment, nous, ce que nous voulons à notre vraiment dirigeant d'ici, mhm. vraiment de revoir quand même, à lever ces trucs-là, vraiment. Vraiment, ça nous dérange très, très. Mais si on parle de l'autre département, par exemple, à Bala et Consort, Sanam, mhm. là-bas, les mesures vraiment sont bonnes, mais ici, à Flingue, vraiment, ça nous dérange. Oui, c'est ça que nous voulons de revoir quand même. Super, alors, sur ce, chers amis, on va écouter la rubrique rose. Euh, pour voir de quoi les filles vont parler et on revient juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir dans l'espace santé et bien-être de la rubrique rose, je vais partager avec vous quelques bienfaits du mélange entre le citron et le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude et le citron sont deux produits connus et reconnus bien sûr pour leurs propriétés bienfaisantes pour la santé. Les combinés permet de décupler leur pouvoir. Ce sont des aliments qui apportent vitamines, minéraux et enzymes bénéfiques pour l'organisme. C'est tout d'abord une combinaison depuis Boire de l'eau citronnée avec un peu de bicarbonate de soude aide à purifier le foie de toutes les toxines qui peuvent ralentir sa fonction. Ces gestes apportent aussi du potassium, de la vitamine C et des antioxydants nécessaires pour la bonne santé de l'organisme. C'est aussi un duo alcalinisant. Une fois ingéré, le mélange de citron et bicarbonate de soude devient alcalinisant. C'est un très bon remède pour lutter contre l'acidose. Cette maladie est provoquée quand les reins ont du mal à bien éliminer l'acide du corps ou lorsqu'il y a une surproduction d'acide. En consommant cette boisson, les reins fonctionnent mieux, l'organisme est purifié et les graisses sont davantage brûlées. C'est aussi un mélange digestif. L'association du citron et du bicarbonate de soude facilite la digestion, combat les flatulences et permet d'avoir un bon transit intestinal. C'est aussi une association régulatrice. La consommation des citrons et des bicarbonates de soude aide à réguler le taux du mauvais cholestérol. Ces deux produits régulateurs améliorent la santé cardiovasculaire. Ajoutez une cuillère à café des bicarbonates de soude au jus d'un demi-citron et un verre d'eau minérale tiède ou à une température ambiante et le tout réjouit. Voilà, c'est tout pour l'espace santé de ce soir. Coucou les filles, comment vous allez Bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les petites astuces en cuisine qui vont vous servir dans votre vie quotidienne. Astuce numéro 1. Le pudding ne devient pas ferme. Si votre pudding ne devient pas ferme, un petit truc de cuisine facile consiste à utiliser de la gélatine. Mettez les feuilles de gélatine à tremper en suivant les instructions sur le paquet. Faites-les dissoudre dans l'eau chaude et incorporez le tout dans le pudding. Mettez le pudding au réfrigérateur avant de le servir. Astuce numéro 2. Dégraissez la sauce. Pour dégraisser votre sauce, mettez des glaçons dans un tissu et placez-le dans votre sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Astuce numéro 3. Vos pâtes sont trop cuites. Chaque minute compte dans la cuisson des pâtes. Une minute de trop et on a gâché le plat. Que faire alors Voici une astuce de cuisine facile à réaliser. Mettez les pâtes sous l'eau froide et faites-les revenir ensuite dans une grande poêle avec du beurre chaud. Astuce numéro 4 du riz qui colle. Si vous voulez éviter que votre riz ne colle, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Le pain absorbe l'humidité et vous obtiendrez un riz non collant. Voici c'est tout pour la rubrique rose de ce dimanche. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec d'autres astuces. Chers amis de la FADA, nous sommes de retour et je vous rappelle que nous avons posé nos affaires aujourd'hui à Filingue pour parler sur le thème les mesures sécuritaires à et comment les jeunes s'adaptent. Et le débat se poursuit avec mes invités du jour. On passe à la deuxième partie de notre émission. Mahamadou, à toi. Euh, chacun a sa vision des choses. De ce fait, euh, qu'est-ce que vous faites entre jeunes pour attirer l'attention de vos pères Il faut situation au kanga euh, maintenant, si vous prenez euh, les cas de notre structure, mhm. et on a eu pas mal euh, des activités à mener. Mhm. Et sur les secteurs de la santé, l'éducation et l'environnement aussi, on mène des activités qui, qui renforcent la cohésion sociale et la paix. Maintenant, si vous prenez le côté culturel, chaque année, il y a des activités qu'on peut prévoit pour les jeunes, comme euh, exemple euh, la lutte traditionnelle et foot aussi, pour les jeunes interscolaires aussi. Mhm. Et il y a des compétitions interscolaires niveau primaire qu'on fait. Mhm. Et c'est la question de l'éducation. Mhm. Voilà. Donc, euh, c'est une sorte de sensibilisation, quoi. C'est une promotion de la paix. Donc, euh, elle œuvre pour la promotion de la paix. Mhm. Et ça aide surtout à occuper les jeunes, les jeunes à ne pas penser à autre chose. Voilà, vous voyez. Voilà, super. je te repose la, question. Y a-t-il des choses tout à l'heure Mamadou, il a parlé de l'occupation des jeunes avec des activités culturelles et tout. voilà, c'est des projets qui sont en cours, tout ça là, nous voulons savoir. comme qui a dit, surtout la zone un projet d'aka aga kaga girnu formation ya kini irmo duk du formation wa sir pain et sécurité ir sini a haiwa ne kan yurdu ir bon wana hinno no zangu ifon da zangu manti dini sensibiliser ai ir du zangu numbu fo du ma ir bon wa in ude. Mhm. irsa gi sir bon waga ir kwa gi la jen ya kini wakan si structure wala haifu wakan igi magu ir mo ir mi sensibiliser mhm. donc c'est un avantage qu'on a un peu trouvé de temps en temps on fait ça mais maintenant les gens ont un peu compris ils ont même compris c'est mm -hmm. quoi ça donc ils se sont adaptés c'est pas tout madalla um, se ege kando quand adede o il que kanguduga fuktagela je repose <laughs> ne t'inquiète pas je repose la question en français qu'est-ce que ADD de son côté la structure fait pour attirer l'attention des jeunes l'autre la maman mhm. c'est ça mhm. c'est notre c'est notre point à chaque fois les manières que lui il a expliqué c'est comme ça mais à part ça, et puis il y a une sensibilisation qu'on fait au moins à la fois de voir mhm. comment par exemple, si on vient à la fois, on discute après, après entendre les, points de vue de, chacun. Mhm. Et c'est par rapport à ça, on est en train d'expliquer comment. Comme ça, c'est une situation qui est vraiment ici, on ne connaît pas. Mhm. Mais c'est avec ça, petit à petit, on explique aux gens de voir quand même consulter cette. Tu ma seconde question. Et depuis que les FDS sont là, comment est-ce que vous, comment est-ce que vous vous sentez oui, les FDS, on, on s'entend bien parce qu'avant, on a un peu de problème avec eux, mais avec, euh, avec une, je ne sais pas comment disent cette oui, stratégie ça là, on a, on, a, on a compris avec parce que maintes fois, on fait des, activités avec les FDS et maintenant on n'a aucun problème. est-ce que cette euh, stratégie a permis à ce que vos relations soient nettes Super. Mamadou, je te repose la même question. Zakan, FDS et Gono. Comment est-ce que vous vous sentez en sécurité ou moins sécurité, bien ou pas bien <laughs> Bon, je peux dire bien maintenant. Mhm. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout, tout, début est difficile. Mhm. Gingina kan mon man faham igmil kan irsing bafune de de de soge quoi. Oh, mais maintenant ça va borai faham kan et bafune kan irgingte kerbande irkereyano Yadinga dinga manti harno kan borge yinga mil kan manti irma ga senigo ya dinga ai mil son ba funa inda irsin da matsala inda irsin da matsala ko ne to abori dai no ya <laughs> Ismaël comment est-ce que vous sentez-vous personnellement Comment est-ce que vous sentez depuis que les FDS sont là avec leur présence oh, To wallahi son da ir bafuna ir de soye da ir te zanga biyar da kai ne zama burkul kan kandu ga am da waran se la kanai da waran ga han ban go gune ya dinga irmo irmi no ir lakkal mu fama kyar ha haikul kan no kamata bai da irmi ki se ba ingai diga bai son gingina ni kiri godi portar de teni kul imne da irdiya irsu ba mu koy goron dai walifu difu difu yakine son kirdim hayadin wiza matiyadin nom di kan de waran se soje ya kini ki ga garin bafu na gune a gihe ma waran ma no waran lakalai in bai hankan ga waran go waran bai hankan ga igo zama di ne lakal kane bor folan sin kandi ya dinga kalda borai ga ha indu ga ham bani indu lakal kane Tomadalla. Sur ce, nous allons encore aller à la pause pour écouter notre musique du jour et on revient juste après. Cap sur le Chimikwanda 2002, yes. Dingiza, dingi dingiza, Chimikwanda, Mwazafa Kojama Gorogama, hey. Sebasagano, Mwara wa Sansi Forufa, Leposola, Leposola, hey. Masamo Jamifonda, Han, Dingiza, dingi dingiza, Chimikwanda, Mwasafa, hey. non, moi là, au sens c'est fort ou Les bons sont là, les bons sont là. Ma savon, je les fonda, yes. Dingiza, dingue, dingiza. Give me fonda. Ma voix se fa. Hey. je me no more, was anxious for the fun. Les beaux sont là, les beaux sont là. Hey. Moi, ça, moi, je me fond là. Nigga, they was one, got fils, one got it was sick. After niggas, I'm a once a fun, nigga, was anxious for the fun. J'ai choisi ma voix, against la communauté d'Atari. C'est qu'ils se sont pitié, flotte, mange, lac de clichés. Le songe qu'à faire de monde en emportant dans ma société. Homeboy, we ready to fight, don't lie, don't be afraid to die. I got a dream, cause I wanna fly to the sky. This world seems so better than when my greatest game. Root, root, to right, simple like me, my family from the truth knowledge where transform. I got a shame for people who check my tradition as an distraction. I follow the voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Ebelist, or just wait my area. Don't worry, broad with a got In the true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. It could touch me fonda. Dingiza, dingy dingiza. Give me fonda. Mwazawa. nous sommes encore de retour dans notre émission sous le thème Les mesures sécuritaires à Filingué. comment la jeunesse euh, s'adapte-t-elle Après cette pause musicale de notre émission, ça tire presque à sa fin, mais avant cela, voici notre toute dernière question pour vos chers invités. Issoufou, je reviens vers toi. Euh, selon vous, quels sont les comportements à bannir pour la stabilité de la localité Ok, le comportement à bannir pour la sécurité, pour les jeunes, non oui, pour la problème. Oui, pour n'a pas de problème. Vraiment, c'est avoir le, le, premier cas mhm. pour les jeunes, c'est avoir du boulot. Mhm. Parce que tous les cas, si on prend de l'insécurité, les jeunes, le, premier problème, le premier grand problème, c'est ce manque de travail. Mhm. Parce que maintenant, si on prend la majorité de, la, des jeunes de Filingue, vraiment sont sont, des, ah, au sont au chômage. Et puis si on parle de chômage, tout, personne qui n'a rien maintenant, exemple. si, tu, prends, il y a une fois qui vraiment tu vas venir voir, il n'y a personne qui travaille. Et maintenant, les gars qui n'ont rien, Maintenant, oui, les gars qui n'ont rien. À chaque fois, s'il y a un qui vient de nous dire que ah, là, je vais vous donner 5 000 ou bien 10 000, allez faire un truc qui est simple pour eux, il n'a qu'à aller. Donc c'est oui, c'est que nous souhaitons au, l'État plutôt mm. d'avoir encore aidé les gens. Donc tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas avoir hein, vraiment ce qu'on Ok. Et encore, mm-hmm. il y a un grand problème encore, c'est aux autorités quoi. Y a, maintenant, si tu prends affaire mm-hmm. de la justice là. Mm-hmm. À chaque fois, on parle de ça. Mais on ne sait pas qu'à cette région, peut-être ça va aller. Mais les grands problèmes c'est affaire de la justice. Il y a manque de, comment dirais-je, si on prend, oui, l'injustice, et encore il y a la corruption. Maintenant, si on parle à un gars qu'on va voir qu'il a pris plus de combien de milliards lui seul, et puis il laisse les gars, les jeunes comme ça sans Et cela, ça crée des frustrations. Oui, ça, oui, ça crée des frustrations. Et encore, ce que nous voulons aux jeunes, c'est de faire vraiment encore redoubler du fort. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas avoir ce qu'on gagne. Les gars qui, Et puis, même nous, on a des problèmes parce que tu vois, tu vois les gars qui, restent toujours en place, mhm. il y a petit travail qui vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Mhm. Et puis, ça, c'est le grand. Là, c'est que nous voulons à l'État vraiment de, voir quand même les gens, vraiment, ils sont encore sont dans la faillite. Oui, oui. Alors, Super Okaya, je reviens vers toi. Dis-moi, selon toi, quels sont les comportements à bannir Il faut que se kan himgi nan dirba localité amte stable. matkan da kan e hima imanan wala. Hayo bombire. C'est la grande chose, Bombiré. Parce que les gens, s'il n'y a pas de travail, si on dit par exemple, il y a un travail de, quoi dirais-je, des mensonges, tu vas dire, ah, moi, en tant que moi, je vais aller faire mon Non, c'est pas mon truc comme ça, des trucs comme ça. Donc, moi, je vois, bon, on devrait les gens délaisser ça. Et encore, le manque de travail va causer qu'ils vont dire, ah, moi, je vais partir, par exemple, à la Libye. Quand ils vont partir à la Libye, quand ils vont revenir, ils vont revenir par une, quoi dirais-je, par une, un nouveau Oui, un nouveau comportement. S'ils vont revenir, ils vont détruire la bonne éducation de nos frères et sœurs parce que c'est pas une bonne c'est pas un bon comportement qu'ils vont revenir sur ça parce que là-bas quand ils vont venir, vont aller là-bas ils vont commencer à à quoi je à fumer le chucha, le truc comme ça donc c'est pas une bonne chose ce que je vois c'est un grand danger merci beaucoup Kaya selon toi euh, quels sont les comportements à bannir pour la stabilité de la localité je dirais que eh, c'est de créer un emploi pour les jeunes mhm. et de renforcer aussi la sensibilisation aussi. Et à part la sensibilisation aussi, je pense que et eh, donner un appui aux jeunes, de promouvoir de l'emploi aux jeunes. gamara mhm. Voilà, da kan mhm. Ça c'est l'analphabétisme donc euh, on doit lutter contre ça aussi inge de no da dimma bombere ou jahil chino kati bombere mais si la personne il est lettré donc euh, da fuyan a cité voilà to Ismaël Kando est-ce que euh, tu as un message à l'endroit de la jeunesse qui vit dans ce département il faut ne ici fokta ici la kalkanam do wallahi furta ke irgi hankali kandi irgi lakali kandi kaka in bayan matkan labu goro goda zama barkul kan niga bai ba niga bai hankan gote nisa ba hankan gote so ba zama nike ke baraka yango ni gine gine borai inga no ki banda borai ditun ka in bai hankan bonno labu go goron da be lakkan kai kanenu zaman dine zanka da alberi ilakkale mhm. matafu hankan zanka go hamnai ibiro matangana godi zama irga ba matkul kanu irgin borai irgi sanu sambu mhm. dine irse ta yakin yakin irgite dine irse irsa ta kurma dirga ba ta ifu irga ki isinu zama ka di ko gine bore se imi ki se an kai gaba imi te didi hayadin o fonda hannu imi se o imi te didi fonda mat fonda hannu ine se agan mana waran mana to irmu irska ga kakau irska kawda irska kawda ya de madalla isufu nin binde il faut qu'on un message à l'endroit de la jeunesse pour la stabilité et pour qu'il y ait de la cohésion. Bon, je vais essayer de parler en germain. Ok. Mm. <laughs> ok. Sanokan qui de jeunesse. Mm-hmm. Vraiment de manière sourde. Mm-hmm. Zama haikulu kan da suru sino. Ah, c'était ah, mm-hmm. manière sourde. Les jeunes de manière sourde, Zama amma ne sura da gida eh, eh. eh sanno den wai ga akai no dum me muka eh, yanin binde haifo gon kan ba nim ci fuk ta gese kan a ci dai no su ga no haya kul kan yi giti da su ga as koi gine mhm. wa su giye banda su ga dai no bai hankan ai gici et mhm. encore de se créer un projet entre eux c'est tout toi maman doit être bonne est-ce que tu as un message à l'endroit de la jeunesse ayo tonton kai ga ingino ingino da yi borai bombera kan ine borai maka to mhm. zamzar mai gine kan bayin kano ga kirin ya dinga bombera din borai maka mhm. voilà madala nous allons aller écouter Ceno 50% avec sa chronique du jour et on revient juste après. Chers amis de la FADA, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une thématique cruciale pour la nation nigérienne. Eh bien, c'est la tolérance et la cohésion sociale. Le Niger, terre de diversité ethnique, culturelle et religieuse, est un exemple vibrant de la manière dont la coexistence pacifique peut prospérer au milieu de différences prononcées. Dans un pays où des communautés variées cohabitent depuis des siècles, la tolérance est devenue une vertu fondamentale. Les Nigériens ont appris que la clé pour maintenir la paix et la stabilité résident dans le respect mutuel et l'acceptation de l'autre, quelles que soient ses origines ou ses croyances. C'est dans cet esprit que nous, Nigériens, nous avons su tisser des liens solides au fil du temps, façonnant une société harmonieuse malgré les multiples défis. La cohésion sociale, quant à elle, est le ciment qui maintient ensemble les nombreuses facettes de cette nation. Les initiatives gouvernementales, les organisations locales et les individus se sont unis pour promouvoir des valeurs d'égalité, de justice et d'harmonie, des événements culturels, des échanges interreligieux et des dialogues communautaires sont autant des moyens par lesquels le Niger renforce les liens qui unissent ses citoyens. En tant que jeunes Nigériens, nous avons un rôle essentiel dans cette dynamique. Notre voix porte l'espoir et la responsabilité de transmettre autour de nous les valeurs de tolérance et d'inclusion. Inviter des intervenants issus des communautés pour partager leurs histoires inspirantes, organiser euh, des débats constructifs sur des sujets sensibles et promouvoir l'éducation interculturelle pour nourrir la compréhension mutuelle. Rappelez-vous que la tolérance ne signifie pas simplement coexister passivement, mais embrasser la richesse de la diversité. C'est à travers l'échange d'idées et la reconnaissance de nos différences que naissent les solutions innovantes aux problèmes qui touchent la société. En conclusion, l'histoire du Niger est un exemple inspirant de la manière dont la tolérance et la cohésion sociale peuvent triompher sur les divisions. En conclusion, l'histoire du Niger est un exemple inspirant de la manière dont la la tolérance et la cohésion sociale peuvent triompher sur les divisions. En continuant à élever nos voix pour l'unité dans la diversité, nous contribuons à bâtir un avenir prometteur pour tous les Niger. Ici prend euh, la chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Seno. C'était la chronique euh, du jour. J'espère qu'elle vous sera utile. Chers euh, invités de la FADA, vous avez entendu euh, nos invités du jour. Ils ont surtout parlé. Isalam Bombera, bon, Kanganam, Boresing, Faham de souro Boresini, Chaksuru, Fortegemin, Et vu sur le plan sécuritaire, Iwana, comportement, tout a changé avec des formations qu'ils ont reçues, cohabitation au à 100% avec les militaires. C'est vrai que pour tout début, c'est difficile, mais les les jeunes ont quand même pu s'adapter et tout va pour le mieux dans cette euh, localité euh, de Filingue. de fandagwai de sugo Karandan, de lokacin kagandan de hangan et surtout euh, restez euh, à, l'écoute des programmes du studio Kelangu merci de nous avoir suivis ça fait au week-end prochain irma kanibani irma kanna bye bye